vendredi 18 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias du Niamey. Cette semaine, nous allons parler de la réduction du prix de la tonne de ciment par les autorités. Ainsi, la tonne sera vendue entre 51 000 francs CFA et 59 000 francs CFA sur les territoires nationaux, soit une baisse de 35% selon les régions. Ensuite, la rebaptisation par le gouvernement de certaines places et monuments de la ville de Niamey. Enfin, la note du Premier ministre Ali Mahamad Laminzen qui demande une libération organisée des classes pour la rentrée académique 2024-2025. Pour en discuter, je reçois Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Je suis Nafis Adam à la modération. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à tous et bienvenue. Une baisse de plus de 30% sous le prix de la tonne du ciment gris a été annoncée cette semaine par le Premier ministre Ali Mohamed Leminzen lors d'un point de presse. Cette décision découle d'une ordonnance signée le 14 octobre 2024 par le chef de l'État. Ainsi, la tonne du ciment sera vendue entre 51 000 francs CFA et 59 000 francs CFA, soit une baisse de 35% selon les régions. Je commence avec vous, Abdoulaye. Quels sont donc euh, les objectifs euh, visés par le gouvernement à travers cette décision Merci, Madame euh, Nafissa. Mm. L'objectif, à première vue, c'est surtout de faciliter l'accès aux citoyens, n'est-ce pas, le ciment, pour pouvoir construire un matériau définitif et peut-être pour certains en euh, semi, semi-dur pour que peut-être euh, on en finisse un peu avec euh, cette histoire de, des maisons en banco où on a vu avec les dernières, la dernière saison de la saison de pluie qui s'achève, beaucoup de maisons qui ont été effondrées, n'est-ce pas? Mhm. Et je crois que c'est, n'est-ce pas, dans cette perspective pour faciliter aux populations, n'est-ce pas, euh, l'accès à ce ciment pour pouvoir euh, peut-être euh, construire des maisons à leur à leur convenance. Oui, selon nos reporters qui étaient sur le terrain, cette décision est d'ailleurs déjà appliquée selon des personnes qu'elles ont rencontrées. Aujourd'hui, quel pourrait être l'impact de cette décision dans notre société euh, l'impact, déjà, j'ai dit, il faut c'est, euh, saluer. Mm. et C'est que l'impact euh, va se, on va, on va, on va le constater à plus ou moins brève échéance, dès l'instant où même le gouvernement envisage, n'est-ce pas, de construire certaines, reprendre certaines infrastructures qui ont été effondrées. Sauf que peut-être, il me semble que ce ciment qui est objet, n'est-ce pas, dont, le prix est objet de réduction, c'est euh, le ciment CM32.5, n'est-ce pas, qui apparemment est beaucoup plus indiqué dans les constructions euh, légères, n'est-ce pas, qui ne supportent pas assez de, de béton. Mm-hmm. Donc euh, peut-être pour les grandes infrastructures, ça sera euh, une autre, euh, un autre type de, ciment, peut-être le 4.5 qui résiste euh, au, béton et bien d'autres que les spécialistes pourront connaître. Mais bien que ce soit le 32, comme vous le venez dire, oui, oui. les citoyens apprécient cette décision. Alors, Hassan Boukad dans les propos du Premier ministre au cours de ce point de presse, il ressort que le gouvernement renonce ainsi à des recettes fiscales annuelles estimées à 3 milliards de francs ces fois Que doit-on comprendre à travers cette annonce Oui, <clears throat> merci. Euh, en fait, cette baisse euh, de, du prix de la, de la tonne, c'est aussi une baisse des taxes qu'il y avait justement ceux qui rendaient le coût un peu, un peu plus élevé. Donc, c'est-à-dire euh, les entreprises qui fabriquent. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des, des, des taxes telles que la TVA qui sont prélevées. Et donc, du coup, la TVA a fait monter le prix de la tonne. Mm. <coughs> Puisque avant cette décision, je crois que la tonne coûtait au moins 85 000 francs. Voire 80 Voilà. Et donc, lorsqu'on élague les taxes, ça veut dire que le coût devient moins important. Mm. Et donc, le gouvernement le fait. Il renonce euh, à des taxes qu'il aurait pu percevoir et renflouer les caisses de l'État au profit d'un bénéfice des citoyens. C'est-à-dire mm. que lui, quand il fait baisser les taxes, la tonne coûte moins cher et donc tous les usagers peuvent désormais accéder, n'est-ce pas, à la tonne de ciment moins cher. Je pense que c'est c'est vraiment une très bonne décision. Euh, on voit aujourd'hui avec, euh, <clears throat> euh, avec la dernière campagne agricole, la saison des pluies, je pense qu'Abdoulaye l'a rappelé, comment on voit les limites des matériaux tels que le banco dans la, dans la construction. Ça met en danger la vie des gens. Donc aujourd'hui, à mon avis, euh, c'est vrai, ce n'est pas encore à la portée de tout le monde, mais je pense qu'il y a euh, plus de personnes qui peuvent désormais accéder euh, à la tonne et essayer petit à petit de construire leur maison en matériaux définitifs et sécuriser leur famille. Mm. Rappelez-vous, pendant la Ve République, on s'est retrouvé avec des arriérés de salaire des travailleurs. Mm, on avait donné des parcelles contre les arriérés de salaire. Alors, la plupart des enseignants ont bradé les parcelles parce qu'ils n'avaient pas les moyens à partir de leur salaire de construire. Aujourd'hui, je me dis, si certains d'entre eux ont les parcelles, ils pourraient toujours être tentés de mettre en valeur parce que la tonne devient un peu plus accessible. on, se donne, voilà, se donnant euh, quelques années, mhm il est possible de valoriser une parcelle. Je pense que c'est vraiment une très bonne mm. décision mm. et on peut espérer que ça baisse encore. C'est-à-dire que on est un pays quand même qui a ce type de ressources. Euh, on a le choix entre euh, les vendre, les taxer davantage pour renflouer les caisses de l'État, mhm. mais on peut aussi, comme le gouvernement du CNSP l'a choisi cette fois-ci, rendre plus accessible de façon à faciliter l'accès des citoyens à ces éléments. Maintenant, ce qui pourrait accompagner ça, c'est aussi une baisse du fer à béton. On a <coughs> installé récemment des usines, je pense sur le fer à béton. Mhm. Alors, après la baisse du ciment, du prix de la tonne, si le fer à béton baissait aussi, je pense que ce serait euh, très très important pour les citoyens. En tout cas, beaucoup de personnes pourraient désormais s'offrir une maison, alors que avoir une maison en matériaux définitifs, ce n'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui. Alors, euh, le fer à béton, Peut-être ce sera la prochaine étape. Pour rappel, le prix des hydrocarbures a été euh, réduit. Les frais des prestations sanitaires également ont été revus à la baisse euh, au CENI. Euh, selon vous, quelle sera la suite, la prochaine étape Bon, ça. c'est bien. Tous ces actes qui sont en train d'être posés, c'est bien. Hmm. Mais c'est l'application. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on a dit le ciment, le, la tonne fait 55 000. On connaît le comportement des commerçants nigériens. Hmm. Des gens vont considérer qu'ils ont acheté, c'est des anciens stocks qu'ils ont. Et sur cette base-là, hmm. ils vont continuer à vendre au même niveau, ou peut-être ils vont juste réduire. On a connu avec le riz, où le ministre même allait s'asseoir pour discuter avec les importateurs qui ont la licence où on a dit, voilà, c'est 13 500 le sac de 25, c'est le le sac de 25 mhm, mhm. kilos. On a vu, on, est en train d'acheter le sac aujourd'hui encore à 19 000, 15 000, 30 000. En tout cas, sans vous couper la parole, notre reporter a rencontré des personnes euh, déjà au lendemain et la décision, elle est appliquée. Ils vont, ils vont mentir, mm. c'est des menteurs. Ils vont mentir, c'est des faux. C'est des faux. S'il n'y a pas un mécanisme de contrôle, si on ne met pas en place un mécanisme de contrôle, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit de manière, ça soit effectif. Hmm. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que le, vous êtes donc sceptique quant à l'effectivité. Non, non, non, mais je suis sceptique. Euh, je, maintiens mon, hmm. mais si on ne peut pas imposer aux gens, c'est un pays quand même. Il y a une réglementation, ils sont encadrés, tout le monde est encadré. Mhm. Il faut créer les conditions pour que les gens respectent les décisions, mhm, mhm. Euh, euh, comment ça s'appelle, gouvernementales. Tant qu'on ne met pas ça en place, on va continuer à acheter le sac de ciment, la tonne de ciment à 80-85. Regardez le gaz, regardez le gaz. Hein. Jusqu'ici, les prix ont été fixés. Voilà le prix du gaz. Euh, comment on appelle ça les jusqu'ici, les, les, vendeurs ne respectent pas ces prix-là. Le gouvernement donc doit mettre en place un, comité de suivi. tu déconnes, on te sanctionne, on ramasse tout ce que tu as. Non, il faut le faire. Mhm. Il faut le faire. Mais, quelle doit être aujourd'hui donc l'implication aussi de la population pour, que ces prix. doivent... Son rôle, c'est de dénoncer. Mhm, mhm. On dénonce. On dénonce que les mesures ne sont pas appliquées. C'est ce qu'on est en train de faire sur ce plateau. C'est ça l'implication des populations. Maintenant, c'est au gouvernement, aux autorités de prendre leurs responsabilités pour que quand on impose un, prix, il faut que ce prix-là soit respecté. Mm, mm, mm. Mais on ne peut pas se mettre un beau matin, on se lève, on dit, on a imposé, voilà le prix. Et après, on laisse les populations comment à la merci des, commerçants qui peuvent décider je ne te vends pas. Je, vais aller, demain, je vais acheter une tonne de ciment. Je vais aller. Si le monsieur dit qu'il ne me vend pas, c'est pas lui, il ne vend pas son. Vous dénoncez alors. Mais alors, je, vais faire quoi Quel pouvoir j'ai pour l'obliger à me vendre à 55 000 Il peut m'imposer, il va me dire que le, ciment là qu'il a dans ses magasins, c'est des stocks qu'il a acheté et qu'il a emmagasinés mhm. avant l'entrée en vigueur de, cette mesure. Alors, s'il n'y a pas, s'il a pas ce mécanisme, regardez, même pendant le mois de jeûne, mhm. même pendant le mois de jeûne, où on doit quand même se dire, il, faut, il faut faire des allégements aux mm-hmm. populations, il mm-hmm. faut les commerçants. Mais même pendant le mois de juin, le cycle, ça flambe, non D'accord. Alors, ah, est un peu sceptique quant au respect de cette mesure. Je suis, sceptique. je suis totalement sceptique. <laughs> Oui. Quant à la mise en œuvre alors vous, euh, Hassan Boukara, qu'est-ce que vous recommanderiez au gouvernement pour vraiment le respect de cette décision Je pense que Hussein a raison de le rappeler. Un des cas les plus emblématiques, c'est le gaz. Mhm, mhm. Regardez le gaz le prix a été fixé. Par exemple, les, les, 6 kilos, c'était fixé à 1800 francs. Aujourd'hui, vous l'achetez à 2500. Donc, ça, coûte vraiment cher. Mhm. L'autre, les 12 kilos, je crois que c'était 3750 normalement, vous l'achetez à 5000 au moins mhm. aujourd'hui. Mhm. Donc, ça montre que s'il n'y a pas un mécanisme de contrôle, évidemment, les gens vont continuer à abuser des pauvres citoyens. Mais je pense que Peut-être que le CNSP se, rend compte. Regardez la bataille qu'ils ont euh, menée sur les vivres. Hussein l'a rappelé, mhm. sur le Il y a toute une bataille. Moi, pour moi, aujourd'hui, le fait que le CNSP dise je vais réhabiliter l'OPVN, je vais acheter les vivres moi-même et les garder et les revendre, les mettre sur le marché par la suite. Mhm. C'est la réponse au fait qu'on ne peut pas négocier avec le marché. Mhm. Je pense, et je l'ai dit dans ce plateau, depuis la Ve République, on a essayé de négocier avec les marchés sous on disait aux gens, nous sommes à la veille du ramadan, l'État renonce aux taxes. Mm. Euh, fils là, il ne fait pas de spéculation. Mm. Ces gens ne l'ont jamais respecté. Là, récemment, le CNSP, il a tout fait en disant je vais envoyer l'armée, on va collaborer avec le Burkina, on va mm-hmm. sécuriser mm-hmm. le parcours, on va faire. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Donc, la réponse de l'État, c'est de dire ok, je me mettrai aussi avant de les vivre. il a déjà annoncé l'interdiction de l'exportation de certaines céréales. le problème va être réhabilité. Et donc, désormais, ils vont être en concurrence avec l'État. L'État va jouer ce rôle-là. Je pense que sur les autres domaines aussi, il faut réhabiliter l'État dans son rôle, de façon à ce que des spéculateurs ne puissent pas profiter de la faiblesse déjà euh, en jouant sur le prix. Donc, il faut forcément un mécanisme de contrôle. Là, sur les, sur les vivres, le gouvernement dit, si on surprend un véhicule qui est plein de céréales, qui exporte, on confisque le véhicule, on le reverse à l'opérateur. Mm-hmm. Sur les autres, il faut aussi euh, avoir des mécanismes. Mm-hmm. C'est-à-dire que, de façon à ce que, si l'État renonce aux taxes, ce n'est pas pour que les des commerçants puissent en profiter, mm-hmm. c'est pour que la population puisse en profiter. Il faut donc forcément un mécanisme de contrôle. En tout cas, si l'État aussi a revu les taxes, je pense bien que les revendeurs de ces ciments doivent être euh, cléments mais, Mais, mais, l'expérience <laughs> montre qu'ils s'en foutent, quoi. Je pense que L'expérience montre que s'il n'y a pas de contrôle, mhm. ce n'est pas évident. Mhm. Il faut bien qu'il y ait un mécanisme de contrôle qui fait que les décisions du gouvernement soient, soient appliquées. Oui, Abdoulaye, vous vouliez dire hein, sur respect, va ensemble. <laughs> cest qu'on euh, sanctionne ceux qui ne respectent pas mm. les... Alors oui, Abdoulaye, vous, vouliez dire un mot sur ce respect Non, non, non justement, c'est, on a constaté la démission, hein, n'est-ce pas, donc, du pouvoir public euh, par rapport à, certains, à l'application de ces genres de, de mesures. Mm. Donc, on a vu, Hussein l'a dit, Abdel l'a rappelé, rien que par rapport au gaz, et peut-être que pour l'instant, maintenant, une uniquement sur les hydrocarbures qu'on ne peut pas spéculer, étant donné mhm, que mhm. c'est les prix qui sont à la pompe et puis mhm. c'est déjà affiché. Vous comprenez Donc, il faut vraiment un mécanisme de, de contrôle et surtout et de, de sévir. Voilà. La balle reste encore, retourne dans le camp de, du, du, CNSP. Alors, euh, le gouvernement doit mettre en place un mécanisme de suivi pour le respect de cette euh, décision qui est vraiment saluée par euh, la population. Nous allons observer une courte pause. Deuxième sujet de ce forum de la, de la presse, certaines places dans la ville de Niamey ont été rebaptisées. La cérémonie a eu lieu cette semaine au centre-ville, à l'ancienne place Montaigne renommée à l'honneur de Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso. La place de la francophonie, elle, s'appelle désormais place AES ou encore le rond-point justice qui est baptisé rond-point cdb Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou explique donc les raisons de ce changement au micro de notre reporter Hassan Nourou. Contre la volonté de nos ancêtres, de nos parents et souvent avec la complicité de certains d'eux, le colonisateur, en souvenir de son passage, a marqué certains de nos centres urbains, certains de nos places fortes, de nos sites touristiques, de nom de ceux-là même qui nous ont causé du tort. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres dans l'optique de nos ambitions, des rapports de force et des enjeux de l'heure. C'est pour cela que nous sommes là, pour rebaptiser nos richesses culturelles. Alors c'était là le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Harouna. Et dans ses propos, on retient que ce changement euh, est une nouvelle étape dans l'affirmation de l'identité historique et culturelle du pays. Nissa, qu'en pensez-vous des propos du Moi, je suis tout à fait d'accord et j'ai défendu ça pendant longtemps en tant qu'altermondialiste. <laughs> N'est-ce pas J'ai défendu ça. Vous toujours, êtes toujours aujourd'hui acteur mais, mais, je le suis <laughs> jusqu'ici. Jusqu'ici, moi, mhm. ma vision, mhm. c'est la vision, c'est qu'on peut vivre. Mhm, on peut vivre avec ce dont on dispose, sans l'apport des autres. On peut, si on décide de le faire, on peut le faire. Il faut changer. Quelqu'un qui t'a colonisé, qui t'a il t'a colonisé, il est venu et il prend, il continue à prendre tes ressources. Mhm. Tu peux te détacher de lui. À partir du moment où bah, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il est plus intelligent que moi. Mhm. Il n'est pas plus intelligent que moi. On a créé une situation dans nos pays pendant longtemps. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Il faut rebaptiser. C'est Montaigne. Montaigne est venu, c'est un missionnaire. Mhm. Il a été tué en territoire nigérien. pas nos guerriers, avec des flèches et des arcs. Mm. Et ils sont venus avec des, canons, n'est-ce pas mm. Est-ce qu'on doit continuer à vivre encore avec des noms comme ça Des gens qui sont venus, souvent on dit, ils sont mission de reconnaissance, mission de civilisatrice, mm. mission mission de pacification. On a besoin d'être pacifié. est que quelqu'un, on, on a quel problème de civilisation, il faut nous civiliser. Est-ce qu'on n'a pas une culture On n'a pas nos cultures. Est-ce qu'on ne vivait pas en harmonie à l'époque Moi, je dit, il faut délocaliser, il faut, il faut euh, comment ça s'appelle euh, Débaptiser, renommer, renommer toutes les places. Places, mm-hmm. Place, toutes les places, il faut, il faut changer, il faut mettre des noms. Il faut mettre des noms, mm-hmm. mais dans le choix des noms, et regardons ceux qui ont fait véritablement des luttes. Oui, justement, Parce que la place montée aujourd'hui est nommée à l'honneur de Thomas Sankara. Sankara, j'ai connu Sankara. Personnellement. Mhm. C'est à l'honneur du Burkina Faso aujourd'hui. Mais, mais, mhm. bien sûr, Pays c'était les précurseurs. Quand je te parle d'altermondialisme, ah, Sankara était altermondialiste mhm. avant la naissance de l'altermondalisme Sankara était un des précurseurs parce qu'à l'époque, avant qu'on dise, qu'on commence à parler de mondialiste, Sankara était déjà altermondialiste. Un autre monde est possible. On ne paye pas les dettes. Mm, mm, mm, On a fini de payer les dettes. On a fini d'être des, des, des, assujettis. N'est-ce pas? Il, a dit tout ça. Et c'est ça qui a fait son, son machin avec euh, le vieux ou feu Boigny et, les autres. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. non, il faut qu'on arrête quand les gens n'arrêtent pas, et se dit, on peut nous-mêmes, à notre niveau, on peut réfléchir quel modèle de développement nous voulons. Mhm. Depuis 90. C'est un pas, selon vous, donc c'est un pas en avant aujourd'hui euh, de laisser derrière nous tout. Euh, c'est pas fini. Mhm. J'espère que ça s'arrête pas là. Oui. Tout ce qu'il y a comme, même au là, le là, euh, il faut enlever. C'est selon votre. Mais, Alors, il faut enlever ça. Voilà, Il faut mettre un nom il y a plein de gens, mhm. des, Nigériens, mhm. qui, se sont, qui, qui se sont battus pour, pour, pour, vraiment l'affirmation de l'indépendance véritable de notre pays. Il y en a plein. Mhm, il, y en a, qui sont méconnus. On connaît les Jibokari, on connaît. Mais il y en a plein. mais, on connaît les Sao Marakan qui sont là, qui sont contemporains, qui sont décédés, qui ont été des combattants par rapport à, cette vision-là. Mhm. Alors, c'est bien beau cette euh, décision. Alors, euh, plusieurs boulevards, Hassan Boukar et place de la ville de Niamey portent donc euh, les noms aujourd'hui des personnalités qui ont marqué l'histoire du Niger et de l'Afrique. D'abord, quelle est votre appréciation Je pense que, comme on sait, ça permet de revaloriser notre histoire, hmm. de rappeler qu'on a été victime de la colonisation on n'a pas à faire la promotion de la colonisation, mhm. ni de ceux qui sont venus pendant la colonisation euh, de, structurer nos pays. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, parler de Jibo Bakari, c'est bien. Nous sommes une population extrêmement jeune. Mhm. Euh, peut-être aussi, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas suffisamment Jibo Bakari. Donc, euh, euh, en essayant de baptiser des rues, rues Bakari, ça permet aux jeunes de dire mais qui est ce Jubobakari mm-hmm, Ça mm-hmm. permet de parler de ces personnes qui sont sacrifiées pour leur pays, qui ont mené tout un combat pour que leur pays soit autonome, souverain. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ce sont des vestiges de la colonisation. Je mm-hmm, pense que c'est bien d'en finir et de baptiser nos rues, nos places publiques au nom des personnalités qui ont marqué mm-hmm. l'histoire du pays. Je pense mm-hmm. que c'est quelque chose euh, d'extrêmement important. Oui. Pour le moment, c'est uniquement dans la ville de Niamey. Est-ce qu'on doit penser à étendre cette ah, initiative dans les ah, autres capitales régionales du pays À mon avis, il faut le faire sur toute l'étendue du territoire national. Il faut bien que ceux qui ont marqué l'histoire de ce pays soient connus par les plus jeunes, mais peut-être que euh, moi j'ai réfléchi tout haut, il faut aller plus loin. Euh, prenez aujourd'hui les les, les, les, les, par exemple, les livres d'histoire. Ces livres-là portent encore l'empreinte, n'est-ce pas, de ce passé colonial, mhm, mhm. où on nous parle beaucoup plus euh, de l'histoire du colonisateur, de l'histoire de l'ancienne métropole, qui est vraiment de nos réalités. Je pense qu'il faut aussi aller plus loin de ce point de vue. Il faut bien que les jeunes puissent connaître davantage Jori, ils puissent connaître Jibo Bakari, mm. ils puissent connaître euh, Amadou Kurandaga, qu'ils puissent connaître tous ces gens qui sont battus pour mm. ce pays-là, mm, de façon à ce que les jeunes qui grandissent puissent aimer leur pays. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît connaître, pas. Effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, le type d'enseignement que nous avons dans nos écoles, c'est un enseignement qui n'a pas été totalement décolonisé. Il faut donc arriver de ce point de vue aussi à, bien remettre de l'ordre dans le contenu de, de l'enseignement, mm. de façon à ce que les gens puissent mieux connaître leur pays mm. et donc qu'on puisse espérer qu'ils l'aiment mieux, parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Mm. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne initiative. Euh, j'espère que ça va continuer à l'intérieur, voilà, dans mhm. les autres villes de l'intérieur, mhm. de façon à ce ait désormais, moi, je comprends bien qu'on puisse euh, dénommer une avenue avenue Mohamed Bouhari, ça a beaucoup plus de sens que de mhm. dire monter ou je ne sais pas. Voilà, donc euh, je pense que c'est une bonne initiative. Abdoulaye, vous, quelle est votre appréciation oui, c'est de, c'est de bonne guerre que nous parvenions à rebaptiser, n'est-ce pas, donc euh, nos monuments, nos places euh, publiques, euh, et Boulevard, étant donné que nous sommes dans une dynamique de quête de souveraineté, et de l'affirmation de souveraineté et, n'est-ce pas, l'affirmation de notre identité culturelle. Longtemps, nous avons été abreuvés par euh, les manuels français, les idéaux, les idées de l'Occident, tout ça. Mm-hmm. Nous connaissons beaucoup plus n'est-ce pas, le, les, les, pays et l'histoire, euh, l'histoire euh, euh, occidentale, plus que eux-mêmes les enfants, n'est-ce pas, donc de ces, de ces pays-là. Donc, vous mhm. comprenez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons rompu tout lien pratiquement avec euh, la puissance colonisatrice, euh, la France, euh, et tout récemment, et cette même France qui, a, qui est encore toujours derrière nous. Mhm. Donc c'est une rupture nette, n'est-ce pas, de cette puissance que, la, que la France. Alors, il faut insister sur le fait que et euh, le fait de baptiser, effectivement, certes, baptiser, c'est très bien, c'est mhm, bien beau. Mhm. Mais il faut que les gens comprennent ce qu'on. Hassan vient de parler de, de, faire en sorte que nos, enfants puissent connaître, n'est-ce pas, nos, nos héros, les, héros, les Jibo Bakari, qui avait dit mm. non euh, euh, au référendum de, Charles de Gaulle en, 1958 euh, et par rapport à, l'acquisition de mm-hmm. l'accession de notre mm-hmm. pays à, l'indépendance, à l'instar de Sékou Touré ou de Guinée, qui a pu quand même, où le, nom avait emporté sur. Bon, il n'y a même plus de trucs, hein, parce que eh, de, Gaulle a dit vous voulez l'indépendance, vous avez mhm. dit non, on vous donne votre indépendance. Oui, rapidement pour clôturer ce sujet, aujourd'hui, la population, quelle doit être sa contribution dans la sauvegarde de ses patrimoines et même la recherche de la souveraineté valoriser. Peut-être moi, à mon avis, il faut valoriser ces, ces, mm-hmm. espaces-là. Mm-hmm. Il faut bien que les gens puissent aussi utiliser ces espaces, hein. mm-hmm. c'est-à-dire euh, vraiment utiliser dans l'ordre. Bon, c'est vrai, les, les, gens sont un peu sceptiques. À Niamey, j'ai écouté par exemple sur les réseaux sociaux, les gens disent oui, mais quand tu bâtis un endroit, il faut qu'il reste propre. Il faut qu'on fasse un bon usage. alors, oui. Il ne faut pas que ça soit un dépotoir de déchets plastiques, quoi. Donc, il faut bien que les, les gens puissent les gérer. À mon avis, c'est au minimum, c'est là, quoi. Il faut donc l'implication de tout ça. nous entamons notre dernier sujet de ce rendez-vous dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 prévue le 28 octobre prochain. Le Premier ministre a adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur afin d'instruire les responsables régionaux pour prendre les dispositions nécessaires à la reprise des classes à la dette indiquée. Seulement, certaines classes sont toujours occupées par les victimes des inondations de cette année. Les concertations avec les services techniques doivent donc euh, se poursuivre et la correspondance pour une libération organisée de ces classes et un relogement décent des personnes sinistrées. Nisa, quelle est votre analyse de cette situation Quelle autre information avez-vous D'abord, ça m'a pas surpris que la rentrée soit, décalée. Soit reportée au 28, oui. N'est-ce pas Il y, a une situation il, a situation exceptionnelle qui était là, hmm. telle les inondations, qui a affecté pratiquement toutes les régions, les huit régions du pays. Mhm. Il fallait reloger systématiquement et en matière de relogement, c'est généralement les classes. Chaque année, oui. Chaque année, quand ça se produit, c'est les classes. C'est ça. Mhm. Il y a même des directions régionales qui ont été inondées. Mhm. En tout cas, les inondations de cette année, c'est une exception. Cette année, à Maradi, la direction régionale de Maradi a été inondée, remplie d'eau. Il fallait créer les conditions. On ne pouvait pas dans ces conditions-là. Même à Filengue, à la gendarmerie qui a été carrément mhm. Maintenant, on constate le Premier ministre, avant-hier ou il y a une semaine, la semaine dernière, il, décide que il faut, il, faut, il faut prendre les dispositions. Il a saisi le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, mhm. pour que les gens libèrent les classes. Mhm quelles sont les dispositions Voilà, les conditions. Est-ce que les, qui ont été prises, pour pouvoir déloger les, victimes qui sont dans les classes pour les amener dans des endroits hmm. Est-ce qu'il y a des, des, des, mesures qui sont. quelles sont les mesures hmm. Parce que le communiqué est resté vague, hein. hmm. très vague. Très vague, effectivement. N'est-ce pas Il fallait dire voilà les mécanismes qu'on a mis en place. On a trouvé des endroits où on va reloger ces familles-là. Il ne faut pas perdre de vue. Les enfants qui vivent dans les classes là, c'est eux les écoliers. Ce mhm, n'est mhm. C'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux qui sont dans les classes. C'est eux qui vivent dans les classes. En mhm. soit l'enfant de la classe. Qu'est-ce qu'on a prévu comme mécanisme Lieu de relogement. Temporaire. Hein. Espace. Qu'est-ce qu'on a prévu comme mécanisme de soutien ne serait-ce que des tentes, parce qu'on suppose que la pluie, c'est fini maintenant. Mhm. Les tentes et autres, on a prévu quoi On dit simplement au gouverneur, au, au, au, de les dispositions. au aux administrateurs délégués de prendre les dispositions. Mais des dispositions décentes également. Décentes. Que ça soit pas. Parce que quand tu enlèves, dans l'école, il y a au moins des sanitaires. Il faut créer toutes ces infrastructures. Il faut au moins mettre un petit mécanisme que quand on va les sortir des classes, moi je suis sceptique. Mhm. Je suis très sceptique. Et vous, Quant à l'effectivité, mhm. qu'on puisse arriver à sortir que le 28 là. Ah, non, on va faire une rentrée politique. C'est selon vous. N'est-ce pas Non, non, non, c'est pas moi. C'est mhm. moi, je, l'assume. Hein. Entièrement, je l'assume. On va faire une rentrée politique. Mais une véritable rentrée où tous les enfants. Imaginez, ces gens, les gouverneurs, les machins, les préfets, les administrateurs, il y en a souvent qui n'ont pas d'argent. Mais... pour faire, pour acheter. Mais ça devient encore un business. Mais au cours de la. Un business, vous couper la parole ça, devient un business. Oui. Ou des gens, mhm. ils vont s'enrichir dans cette affaire-là. C'est un business. Mhm. Parce, qu'il faut acheter des pailles, il faut acheter, il faut donner des marchés mhm, à des gens qui vont. Alors, non. Aujourd'hui, le gouvernement dit que euh, les préparatifs de la rentrée même se poursuivent bien et les, fournitures scolaires sont en train d'être acheminées dans presque toutes les régions. Oui. Sont en train d'être acheminées. Oui. Ça a été dit officiellement Hier, au cours de la. Avant-hier, autant pour moi, au cours de la réunion, effectivement. Mais non, mais je veux dire, Ablaï, s'il te plaît. Ablaï, non, c'est bien beau de dire, mhm. on peut venir dire on est en train de faire ceci, on est en train... Une rentrée se prépare. Mhm. la, la, la, la, rentrée de l'année prochaine doit commencer à être préparée déjà en cours d'année. Mhm, Dès le premier, le, le deuxième trimestre, on doit être dans la préparation de l'autre rentrée scolaire, n'est-ce pas Il n'y a pas de rupture, parce que c'est une chaîne. D'accord. Alors, tant que on n'a pas le sentiment que cette chaîne-là est respectée. on, se pose des questions. Mais ah. on est en train de préparer. Imaginez, le Niger est vaste. Hein. Souvent, je dis aux gens, quand vous n'avez pas connu des zones, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas certaines zones. Mhm. Bilma, il y en a qui ne connaissent pas. Djindjimi Ngoupti, comment ça s'appelle Voilà. Euh, alors, mais quand vous, les gens peuvent réaliser que non, non, non, c'est comme une promenade de santé. ce mhm, mhm. n'est pas une promenade de santé pour aller dans ces zones-là. Mhm. Alors, quelles dispositions, est-ce que les dispositions ont été prises On devait prendre normalement ces dispositions-là pour que, avant que ça on n'a même pas besoin de parler de on les fournitures sont en train d'être assimilées à, la veille. Est-ce que à ce moment qu'on doit parler de acheminement de fonds, on ça devait être déjà fait. D'accord. Alors la rentrée, euh, la rentrée académique euh, doit être préparée bien avant. Euh, Abdoulaye, donc quels sont les autres aspects que les autorités devraient prendre en compte pour une réussite vraiment de l'année ou cette année? Oui, bon, pour euh, une réussite de la de, de l'année, l'année n'a pas encore commencé. a priori, l'année va commencer à partir du 28, octobre, 28, 28, octobre, donc dans 10 jours, on va assister à euh, une rentrée. Quand bien même euh, Hussein vient de dire que ce sera une rentrée politique, <laughs> je pourrais comprendre qu'effectivement que ça pourrait être une rentrée politique parce qu'a a priori toutes les salles, n'est-ce pas, ne seront pas libérées avant, avant, avant cette date. Mm-hmm. C'est vrai, la note du, Premier ministre. C'est sous effet immédiat et peut-être ils ont presque 10 jours hein, avant le 28. Oui, on l'espère, on, on, espère que ça soit, que ça soit ainsi. ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a eu déjà la chaîne mm de, de, fournitures scolaires. La ministre, quand elle a fait le lancement avait dit qu'elle va commencer par les zones les plus reculées. C'était donc Difa, Agadez euh, et hier j'ai vu à la télé Zender. Donc euh, on est en train de revenir pratiquement jusqu'au euh, à, l'ouest. Mhm. Vous comprenez Donc c'est-à-dire que par rapport à cette histoire de, fourniture, on peut estimer que les dispositions sont déjà prises à près de 90% mhm. pour que les fournitures scolaires soient disponibles. Alors, L'autre aspect, c'est les enseignants. Mm-hmm. C'est les enseignants, n'est-ce pas Donc, Et notamment les contractuels, et qui, je crois que c'est hier ou avant-hier qu'on a commencé à, leur payer leur, euh, pécule. leur, pécule, ce qui mm-hmm. n'est pas très bien. Il faut quand même penser désormais à ce qu'ils soient relativement alignés mm-hmm. aux, aux, enseignants, étant donné qu'ils sont, ils sont, près de 70%, ils représentent les 92% 90%. Donc vous voyez, alors et c'est avec ces gens-là qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut travailler. Mhm. D'autres choses, je viens d'apprendre qu'il y a quelque part où un grincement de dents qui est en train de, de, se faire au niveau de, des enseignants de, mhm. base par rapport à, des sanctions qui seraient prévues, n'est-ce pas, mhm. pour certains euh, enseignants. Ça, c'est des informations entre parenthèses. oui, non, non, non, <laughs> bien sûr, parce que c'est important. Et ils disent qu'ils sont en train euh, euh, pour insuffisance de, de résultats Hmm. Alors, eux, ils disent que non, il faut nécessairement que toute la chaîne soit, soit, soit, soit, sanctionnée. Hmm. Donc, il faut nécessairement prendre des dispositions pour que le, front, le, front, le front syndical au niveau des enseignements ne soit pas, ne soit pas en ébullition. Hmm, Vous conviendrez avec moi que année stable, l'année passée, c'était relativement calme. On n'a pas connu de grève, on n'a pas connu de, de mouvement. Même les enseignants ne sont pas montés au créneau pour revendiquer quoi que ce soit. Donc, on a fait les examens, des examens euh, à bonne date pratiquement, des examens jugés propres, mais pour cette année, il faut également prendre toutes les dispositions pour que ça soit ainsi. Mhm. Et pour que ça soit ainsi, il faut nécessairement que y n'est-ce pas, euh, euh, le dialogue entre les enseignants et les autorités du ministère de, l'éducation et surtout voir cette question de... Euh, de contractuels par rapport à leur, mhm, au paiement mhm, de leur euh, mhm. véhicule. D'accord. Alors donc euh, la date de la prochaine rentrée, ce sera donc le 28 octobre selon le gouvernement et donc les sinistrés sont demandés de, de laisser les classes, de libérer les classes occupées depuis donc les inondations. Alors vous de votre côté Hassan Boukara, quelle est vraiment votre analyse de cette situation? Mais je, dirais la même chose que mes prédécesseurs. Mm. alors, quand le Premier ministre dit de, libérer les salles, c'est-à-dire quelles sont les mesures qui sont prises Ces personnes ont tout perdu. Mm. Euh, il y en a même qui ont perdu les, champs, les récoltes. Hein. Il y en a, des, y a, des, terrains qui ont été inondés par les eaux. Mm. Ils ont perdu les maisons. Et donc, quand vous les sortez du jour au lendemain, j'imagine que vous n'allez pas les mettre dans la rue. Il faut donc qu'il y ait des, mécanismes pour, euh, même si c'est des, des, tentes et tout ça, euh, pour que ces personnes-là soient hébergées quelque part. Euh, alors j'espère qu'il n'y a pas des écoles effondrées, parce que mm-hmm. s'il y a des classes qui sont effondrées, Évidemment, ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. parce dans les, années précédentes, on l'a vu, il y a des sites qui sont créés pour le relogement de ces sinistrés-là. Il faut, il faut trouver. Et là, et, là, je pense que la difficulté, c'est que c'est sur l'ensemble du territoire. Cette année, je ne connais pas une seule région qui a été épargnée. Mm. Donc, euh, j'espère que quand le Premier ministre le dit, c'est qu'il y a quelque chose d'autre euh, qui accompagne ce, ce message. Sinon, dit délibéré, c'est facile. C'est-à-dire que maintenant, la question, c'est quelles sont les mesures qui sont prises mm. pour que les personnes qui sont dans ces classes-là puissent trouver où se loger en attendant. Euh, mm. Encore une fois, eh, l'a rappelé, euh, c'est parfois les parents d'élèves qui sont mm. dans ces, dans salles-là. Mm-hmm. Alors, les élèves, eux, ils ont besoin aussi de retrouver le cadre familial mm-hmm. dans de meilleures conditions afin de poursuivre leurs études. Mm-hmm. Si les parents euh, se cherchent dans la rue, évidemment, c'est aussi, ça va se faire au détriment des enfants-là. et Ils seront les victimes. Il y a un autre aspect. Euh, la plupart de ces sinistrés, euh, on, l'a vu, euh, notamment celle du, de l'arrondissement 5, des espaces leur ont été donnés, mais malheureusement continuent de rester dans les espaces inondables et aujourd'hui se retrouvent encore dans les écoles pour se recaser. Vraiment, que, peut euh, pouvez-vous dire sur cette, question Moi, à mon avis, mhm. à mon avis euh, il, faut, toujours euh, discuter avec ces personnes-là. Mhm. je pense qu'ils ont eu l'occasion de prendre la parole dans les médias. Hein. Ça fait il y a, quelques années puisque cette histoire-là, en particulier à Niamey, c'est une histoire récurrente. cest mhm. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent On nous a pris de là où on est, on nous a amenés loin. Loin, s'entend, là où on est, le site n'est pas forcément viabilisé. Pour revenir en ville, mais vous avez des gens qui vivent au jour le jour. Oui. Ils sont en milieu urbain, ils partent à Katako, ils partent sur les marchés, il y en a qui sont des travailleurs domestiques, ils partent travailler pour gagner leur, leur, mm. Alors quand vous les amenez loin du centre-ville, le premier défi, c'est comment ils reviennent en milieu urbain. Parfois, vous n'avez pas de l'eau sur les sites. Il y, a quand même des, des, des, raisons pour lesquelles ces personnes-là viennent. À mon avis, il faut davantage travailler de façon à un peu viabiliser les sites d'accueil. Mhm. Si les sites d'accueil sont viabilisés, à mon avis, certains au moins accepteraient de rester parce que euh, c'est des risques. Maintenant, si les sites sont viabilisés, il y a des choses que l'État peut imposer. Hein. Mhm, mhm. L'État peut vous imposer de ne plus habiter ces sites-là. Si l'État le, veut, il peut, il peut carrément interdire aux gens d'habiter ces sites inondables. Donc, il y a des mesures qui peuvent être prises. Mais Évidemment, le fait que les gens reviennent de façon récurrente, on leur dit voilà, là ça pose un problème. Hmm. Le, cas le plus inacceptable, c'est les gens qui vendent. Bon, les médias disent, on lui a donné un espace, il a vendu. Ça, ce c'est pas acceptable. Hmm. C'est pas acceptable. Mais les gens qui partent, s'ils disent écoutez, le terrain, on n'a pas accès à l'eau, c'est vraiment difficile, on est loin du centre euh, urbain, on n'a pas les moyens de venir, même venir travailler euh, comme domestique, etc. Là, ça pose un autre type de problème qu'il faut mhm. voir et euh, qu'il faut trouver la solution. Oui, mais, ça, c'est récurrent vraiment. Oui, mais parlant même de, cette rentrée, où Seyni et Abdoulaye estiment que ça sera une rentrée politique. Hein, et de votre côté Ah oui, je ne serais pas surpris. <laughs> Euh, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait à la veille de la... Mais 10 jours, c'est peu. Hein? Oui. Bah, parce que... Peu? ah oui, 10 jours. Il, ne reste que 10 jours. en 10 jours, prendre en charge toutes les personnes qui sont dans les écoles, ça c'est... Plus d'un million de ah, sinistrés, ça, ça, ça, c'est pas un petit travail. Quoi. dit que Pour moi, il y a des actes qui vont être posés. À la veille, on va se rendre compte que ce n'est pas totalement effectif. Il y aura donc la rentrée sera peut-être proclamée officiellement, ce serait donc cette rentrée mhm, politique. Mhm. Maintenant, euh, les jours, les semaines à venir, on va continuer à travailler, peut-être euh, essayer de trouver quelques sites, aménager des sites et petit à petit amener les, gens. Il y aura peut-être qu'ils ne veulent pas d'un second report. Parce que si tu dis le 28, je fais le constat qu'il y a encore des classes qui sont en projet report, un deuxième report peut apparaître sur le plan politique comme un échec. C'est-à-dire quelqu'un euh, qui n'est pas vraiment préparé pour la rentrée, alors que, comme on l'a dit, la rentrée peut être préparée en amont. Hum. Donc je pense que ils vont peut-être confirmer la rentrée le 28, mais on verra que dans la réalité, euh, les jours, les semaines qui vont suivre le 28, il y aura toujours des travaux, il y aura des salles de classe occupées mhm. pour lesquelles petit à petit. Je pense que ça va prendre euh, du, temps. Peut-être euh, on ira jusqu'en fin novembre ou début mhm, décembre pour mhm, que la situation se stabilise et qu'il y ait effectivement. On l'a vu même dans les pays voisins comme le Mali, c'est la rentrée, oh. elle est reportée au 4 novembre, oui. Même en temps normal. Mhm. Moi, j'ai parcouru les villages. J'ai vu des villages où, jusqu'en janvier, il n'y a pas rentré <laughs> Parce que l'enseignant n'est pas là. Bon. C'est donc tous ces aspects qui doivent être vraiment. non, non. pris en compte pour, les préparatifs. a un Il y a un problème qu'on ne prend pas en compte qu'on néglige. Lequel Le problème des enseignants contractuels là. Effectivement, Abdoulaye. Des gens, des des, jeunes gens, pendant 15 ans, 10, 20 ans, ils sont dans un système sans aucune mhm. garantie. Mhm. Mais mhm. alors, eh, ils sont dans des villages reculés. L'enseignement, c'est quand même, c'est un métier il y a aussi les travaux champêtres auxquels ça donne les, élèves aussi. ça en février, moi j'ai vu des villages y compris l'année dernière. Jusqu'en février, il n'y a pas eu rentrée. Bon, alors, c'est pour ça que quand j'ai parlé tout à l'heure de rentrée politique, moi je considère qu'on va assister à une rentrée politique le 28. C'est tout. Nous estimons, nous espérons autant pour moi que cette rentrée soit effective et que toutes les classes euh, occupées par les sinistrés soient euh, libérées à temps et que ces sinistrés soient euh, relogés décembre. C'est donc ici que s'achève le forum de la presse de ce vendredi 18 octobre 2024. Nous étions en compagnie de Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également. Merci d'être venu. Merci à vous donc, chers auditeurs et auditrices des programmes de Studio Kalangu, de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes les samedis et dimanches dès 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums à langue Hausa et Zarma les samedis et dimanche aussi à partir de 18h à 15 minutes. La technique est assurée par Seni Saka. Je suis le fils Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.